le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir s'intéresse à la situation de l'hôpital national de Niamey, atouts et difficultés actuelles. Cette thématique vise surtout à apporter un éclairage au grand public sur les difficultés actuelles que rencontre cet établissement, l'objectif étant de toucher les personnes morales susceptibles d'apporter un plus afin qu'ils jouent pleinement son rôle. Aussi, cette émission pourrait permettre aux usagers de trouver des réponses aux obstacles rencontrés une fois dans cet établissement. L'hôpital national du Niamey a été créé en 1922 pour servir d'hôpital des auxiliaires de l'administration coloniale. Il est érigé en 1962 au rang d'hôpital national de référence et en 1992, il devient un établissement public à caractère administratif. L'hôpital national du Niamey a la charge d'assurer les soins tertiaires, mais parfois aussi euh, secondaires et même primaires. Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, l'hôpital national du Niamey est structuré en organes délibérants et exécutif et un département. Le conseil d'administration, la direction générale, les organes consultatifs qui sont le conseil technique consultatif et le comité d'établissement. Aujourd'hui doté de la personnalité civile, l'hôpital national du Niamey a pour objet l'accomplissement d'activités d'intérêt général. Il poursuit une mission de service public, dispose d'un patrimoine propre et joue de l'autonomie financière. Dans ce forum, nous tenterons de répondre aux préoccupations des citoyens relativement au fonctionnement de cet hôpital, notamment analyser l'offre de soins et services de qualité, l'accessibilité aux soins de qualité, les conditions de prise en charge au sein du service des urgences, le niveau de référence des spécialités, la capacité financière, la mobilisation des ressources et la professionnalisation de la gestion de l'hôpital. Pour débattre, nos invités dans ce studio, M. Baouan Allah Goubey, directeur général adjoint de l'hôpital national. Monsieur Allah bonsoir. Bonsoir. Docteur Mamassani, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens, médecins et dentistes SYMFAMED. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bienvenue au forum du studio Kalangou. Monsieur Bawanala, rappelez-nous les missions de l'hôpital national de Niamey. La mission principale de l'hôpital national de Niamey, principalement, il en a cinq. D'abord, un, effectivement, c'est un hôpital public qui poursuit une mission de service public. Et qui dit mission de service public, ça veut dire fournir des soins à un grand nombre de populations à la majorité de la population. La première mission, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la prise en charge de, des soins tertiaires. Deuxièmement, la prise en charge des urgences. Et la troisième, c'est la formation. Il a une mission de formation, c'est un centre de formation. Troisièmement, c'est un centre de recherche. Et cinquièmement, il rentre dans la mise en œuvre des programmes de santé publique. Voilà effectivement les principales missions effectivement de l'hôpital national de Niamey. Donc, les plus importantes, il faut le dire, tout à l'heure, je l'ai répété encore, c'est les soins tertiaires. Ça veut dire que c'est un centre de référence pour les autres structures. Ce n'est pas un centre de premier niveau. Ça veut dire que les maladies de premier niveau sont traitées ailleurs. Donc, ce que les autres formations sanitaires du second niveau, ça veut dire les, comment on appelle les centres hospitaliers régionaux n'ont pas pu faire, c'est ça qu'on réfère à l'hôpital national de Niamey dans un langage plus simple, les soins de premier niveau, ça veut dire quoi pour le citoyen les, soins de premier niveau, mais ça veut dire effectivement, c'est tous les soins qui ne sont pas si graves que ça, qui ne nécessitent pas un spécialiste. Oui, c'est ça la question. Donc normalement, à l'hôpital, c'est des soins spécialisés que nous devons avoir. C'est ça la question. Et de l'autre côté, les urgences. Parce qu'une urgence, on ne peut pas dire il faut aller au CSI. Non, quand c'est une urgence, on peut rapidement amener ça à l'hôpital et l'hôpital a, cette mission de prendre ça rapidement en charge. Voilà les deux premières missions que j'aimerais qu'on revienne parce que apparemment c'est là où nous avons, où ben, on rencontre le plus de problèmes. Docteur euh, est-ce qu'aujourd'hui l'hôpital remplit convenablement sa mission Et comme euh, l'avait dit Monsieur le DGA, l'hôpital national de Niamey en fait c'est un hôpital de référence, il faut l'appeler comme ça, du niveau tertiaire, il a bien précisé. Et en termes de mission, il a cité la mission, ou du moins les différentes missions assignées à l'hôpital, et il a soulevé des problèmes. Mais il faut que la population comprenne véritablement qu'est-ce qu'un hôpital national et quelles sont ses missions. Et je pense que si la population arrive à cerner cela, ça va régler beaucoup de choses. Parce qu'un hôpital national, ça a été bien dit, il assure les soins tertiaires. Et quand on dit soins tertiaires, ça dit c'est des soins du troisième niveau. En raisonnant comme ça, la population peut comprendre. En termes de soins, il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau, il y a le troisième niveau. Et vous êtes d'accord avec moi que vous considérez, vous caricaturez comme une échelle. Est-ce que vous pouvez grimper directement du bas jusqu'au troisième échelle Donc, c'est jusqu'au troisième niveau. En réalité, c'est de ça qu'il faudrait comprendre. Donc, et c'est ça, c'est la structuration du système de santé qui est fait comme ça. Donc, il y a le premier niveau. Vous voyez, dans pratiquement tous les quartiers, il y a des CSI. Si je prends le cas Niamey. quand on parle à l'intérieur du pays, dans beaucoup de villages, il y a des CSI, des centres de santé intégrés, avec leurs hôpitaux de district. Donc ça, c'est le premier niveau. Quand on prend, par exemple, Niamey, là où nous sommes, à Niamey, il y a au moins 60 centres de santé intégrés. Donc ça, c'est le premier niveau. En principe, quand quelqu'un est malade, il doit se rendre dans un centre de santé intégré. On le consulte. Les agents qui sont là, vont faire ce qu'ils peuvent faire. Si ça les dépasse, ils réfèrent. Et c'est là où ils vont référer au deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est les hôpitaux régionaux. Il y a les centres de poudrière. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, normalement, si du CSI, ça ne va pas, on a un hôpital de district, bon, c'est vrai, à Niamey, il n'y a qu'un seul hôpital de district, celui de Gawai. Donc, tout ça, là, c'est ça, la structuration du niveau, ça s'appelle niveau périphérique. Après, c'est ça le premier niveau. Donc après le niveau périphérique, on part au niveau intermédiaire si ça les dépasse, et c'est ça le deuxième niveau, comme le centre hospitalier régional, le réel. Maintenant, c'est quand ça les dépasse, il faut référer à l'hôpital national. Donc voilà comment c'est structuré. Et vous conviendrez avec moi qu'il y a des gens qui ils se lèvent ce matin, ils se sentent pas bien, directement ils prennent leur véhicule ou ils prennent un taxi, ils partent directement à l'hôpital national de Niamey. Donc ça, c'est un des problèmes qui est rencontré pour que l'hôpital puisse assurer sa mission de soins tertiaires. Parce qu'il est bien dit que c'est le soin tertiaire. Mais en tant qu'agent de santé, en tant que responsable, quelqu'un ne peut pas venir dire que a ah, vous le refouler. En réalité, c'est à ça, vous partez, vous allez trouver tout un tas de monde. Donc voilà, en réalité, la première mission de soins tertiaires. Et, et selon le Symphamed, est-ce qu'aujourd'hui l'hôpital remplit convenablement sa mission Bon, ici il faut raisonner en termes, parce que vous savez, ici il faut apprécier les choses, il faut une norme. Mm. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que la norme est respectée C'est cela parce qu'il faut apprécier les choses en fonction de normes. Voilà la, norme, on dit l'hôpital, c'est un hôpital tertiaire. Mais bien, on voit tout le monde part. Mais en termes d'accomplissement des tâches, si je me réfère, parce que s'il faut dire, elle accomplit sa mission, il faut se, se, se, se référer pratiquement aux cinq missions assignées à l'hôpital national de Niamey la mission de soins tertiaires, les urgences, la formation, la recherche. Voyez-vous Donc, c'est à ces niveaux qu'il faut faire l'appréciation. Donc, moi, je pense que en tant qu'hôpital, en tout cas, elle assure l'essentiel, même s'il y a beaucoup de problèmes. Peut-être on va revenir là-dessus. Parce que pour assurer une mission, il faut être mis dans des conditions de bien assurer sa mission. C'est les ressources, même si on parle beaucoup plus qu'une gestion doit être axée sur le résultat, mais pour avoir le résultat, il faut des ressources. S'il faut parler, vous avez dit offrir des soins et services de qualité. La qualité, moi, ma compréhension, et je pense que c'est dans beaucoup de cas la même chose, c'est que c'est la satisfaction du client, du patient. quand un patient se rend à l'hôpital national de Niamey, est-ce qu'il est satisfait, oui ou non C'est la réalité, qu'on doit dire que là, l'hôpital national de Niamey est en train de remplir sa mission. S'il n'est pas satisfait, il faut se poser la question en réalité pourquoi C'est lié aux agents, c'est lié aux infrastructures, c'est lié au plateau technique qui n'est pas ça. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser et trouver ensemble la solution et les corriger. Et c'est ça l'idéal. Au fur et à mesure, on essaye de faire. Je pense que euh, ça travaille et beaucoup arrivent à avoir satisfaction, même si aussi il y a beaucoup encore qui n'arrivent pas à avoir satisfaction pour d'autres raisons. Moi, je pense que l'idéal, l'idéal que tout celui qui part à l'hôpital national de Niamey soit satisfait et c'est là la qualité tant escomptée par pratiquement toute la politique même nationale de santé du pays. Monsieur le directeur, avant de revenir sur les difficultés justement, l'offre de soins et services de qualité à la population, surtout vulnérable, est-ce au rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital national de Niamey Au rendez-vous, en tout cas pour ma part, je, vais dire au rendez-vous, mais la qualité, il faut le dire, hein, c'est quelque chose de très relatif. Ah ouais. Ce qui peut te plaire peut ne pas me plaire. Il y a beaucoup de gens, effectivement, il suffit tout simplement de les traiter, ils sont contents. D'autres, quel qu'en soit le traitement que tu leur feras, peut-être si tu les as pas mis dans des conditions agréables, ils ne seront jamais contents, même si par ailleurs le traitement est efficace. Donc c'est quelque chose de très relatif. Donc, en tout cas, pour nous, ce que nous faisons, en tout cas pour tout ce que nous, les soins que nous délivrons, nous, nous pensons effectivement, nous le faisons dans un cadre purement de la satisfaction de la personne. Et bon, maintenant, l'appréciation, c'est aux usagers de le faire. Peut-être que, et d'ailleurs même, c'est ça qui fait que de temps en temps, effectivement, nous-mêmes, nous faisons une sorte de micro-trottoir pour interroger ces usagers-là, pour leur demander mais, par rapport à ce qu'ils ont eu, comment ils ont eu, comment ils ont apprécié ça. Est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que c'est pas du tout? Ou, parce que ça va nous permettre, nous aussi, de nous améliorer. Surtout le domaine dans lequel ils nous disent effectivement qu'ils ne sont pas satisfaits. On fait cet effort. Mais, effectivement, il faut le dire, un service public, c'est un service public. C'est ça la question. Docteur, la population vulnérable a-t-elle euh, réellement accès aux, soins de qualité à l'hôpital national L'accessibilité aux soins de qualité. Bon, population vulnérable, je pense que s'il faut parler d'accès, on peut dire que la population a accès, même si cette accessibilité est entachée de beaucoup de difficultés. Parce que c'est de ça qu'il faut euh, se dire, parce que quand vous parlez de services de qualité, comme l'avait dit Monsieur le DG. En fait, la qualité, je suis d'accord que c'est relatif. C'est relatif en termes de perception. Lui, en tant que euh, directeur général, il a sa, perception des qualités. Peut-être un euh, Nigérian lambda qui part pour des soins, il a sa perception des qualités. Nous, en tant que personnel, en tant qu'agent de santé, nous avons notre perception des qualités. Quand j'illustre ça, par exemple, nous maintenant en tant qu'agent de santé, en tant que structure syndicale, qu'est-ce que nous appelons qualité chez nous Non, la qualité, c'est juste la satisfaction morale et matérielle, les conditions, l'amélioration des conditions de travail de nos camarades. Quand peut-être vous venez, le plateau technique est au top, euh, voilà, tout ce qu'on demande, il y en a. Pour nous, c'est la qualité. Mais en tant que patient, quand il vient, non, lui, il va avoir, bon, il faut que Dès qu'il vient, il a mal, cette douleur doit disparaître, patati patata, il a besoin d'une intervention, il vient aujourd'hui, il va, il, euh, peut-être demain, on l'opère, ou même pourquoi pas aujourd'hui. En réalité, c'est ça la qualité pour le patient, mais pour l'administration aussi, ils ont leur, leur appréciation des qualités, il faut que les services marchent, il faut que les indicateurs soient ici. C'est en fait ça, donc chacun a sa perception des qualités. Pour dire que, maintenant, par exemple, on revient pour le, euh, pour le, patient, parce que tout tout ce qu'on fait, c'est sûr pour eux qu'on le fait. L'un des problèmes peut-être auxquels euh, la population se plaint beaucoup, peut-être que c'est euh, en termes de satisfaction. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, quelqu'un qui vient qui a besoin d'une intervention chirurgicale, il veut, il avoir cette intervention le plus rapidement possible, euh, donc dans un délai très réduit, et même pour peut-être des consultations spécialisées. Donc là, peut-être c'est là l'un des soucis auxquels la population est confrontée à l'hôpital national. Voilà, il vient, il fait une longue attente avant d'être programmé. Et tout ça là, ça peut être lié d'abord aux ressources disponibles. Quand je parle de ressources, je peux parler des ressources humaines, mais même les ressources matérielles. Euh, on a parlé des urgences qui peuvent partir effectivement de la mission de l'hôpital. Un patient qui vient pour une euh, opération programmée, je dis bien programmée, où il faut d'abord faire des consultations, il faut euh, faire un bilan préopératoire, il faut que le, chirurgien ou celui qui va faire le travail soit disponible. Ça peut prendre du temps. Déjà, les chirurgiens peuvent ne pas suffire. C'est un exemple. Je prends une spécialité quelconque. Peut-être les spécialistes qui peuvent opérer cette pathologie ne sont pas au nombre suffisant. Donc, il doit prendre les gens en fonction, effectivement, de peut-être l'ordre d'arrivée ou l'ordre des urgences. Mmh. Mais aussi, la disponibilité des matériels. Peut-être il y a une seule salle qui est réservée pour ça. Donc, par jour, on ne peut pas opérer tout le monde. Il peut programmer peut-être deux, trois qu'il faut opérer par jour. Vous savez, le bloc, il faut une euh, stricte euh, sepsie pour pouvoir le gérer. C'est toutes ces choses qui sont là, c'est que la population ne comprenne pas, ils pensent que bon. Mais sinon, en tout cas, chacun peut trouver, malgré en tout cas ces, difficultés qui sont là, chacun arrive à avoir en tout cas satisfaction. D'accord. Docteur, est-ce que le médecin est dans les conditions en tout cas suffisantes pour travailler à l'hôpital national Non, conditions suffisantes, là, <laughs> je ne peux pas dire que le médecin soit dans des, conditions suffisantes. à titre illustratif, surtout quand je prends l'exemple de médecins spécialistes, ça c'est des problème. Les gens travaillent et travaillent beaucoup, mais bon, ben, la rémunération n'est pas ce qu'elle est à, l'attente. c'est un de, de motifs, en fait, c'est là où il faudrait, il faut motiver les gens. Et l'une des perceptions que nous avons de la qualité, il faut améliorer les conditions de travail. Donc il faut mettre les médecins dans des conditions pour bien travailler. Comment le mettre dans des conditions pour bien travailler Il faut améliorer le plateau technique. Si le plateau technique est bien amélioré avec suffisamment de ressources, les salles sont disponibles. donc tu as besoin de quoi que ce soit, c'est disponible. et puis, par rapport à la rémunération, ça c'est un problème que vous connaissez. Ça fait combien de temps euh, depuis Bellurette, les médecins mm. spécialistes sont en train de réclamer, de revoir en tout cas leur euh, la gratification. Pratiquement, il n'y a pas une grande différence à l'heure actuelle mm. entre ce que perçoit un médecin généraliste et un médecin spécialiste. Là, c'est déjà un facteur de démotivation qui fait que je peux en tout cas vous affirmer que s'il faut parler des conditions, je dirais que les médecins ne sont pas en tout cas dans des conditions requises pour bien faire leur travail, surtout médecins spécialistes. Monsieur le directeur général, avez-vous suffisamment euh, de personnel d'abord. Également, est-ce que le plateau technique aujourd'hui de l'hôpital national est, bien amélioré Merci, eh, Je, remercie, euh, en tout cas, beaucoup une fois de plus. Au-delà de l'hôpital national, il faut le contextualiser parce que l'hôpital national n'est qu'un maillon de la chaîne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous parlons des conditions de travail, ça veut dire qu'il faut parler d'une manière générale. Ce n'est pas à l'hôpital national de Niamey seulement. Oui. Ça veut dire que ce que nous trouvons à l'hôpital national, ce que nous trouvons c'est à peu près la même configuration. Donc c'est d'une manière générale qu'il faut parler pas spécifiquement à l'hôpital national de Parce que tout à l'heure, lorsque vous avez posé la question aux au représentants du CFABET pour savoir est-ce que le vulnérable aujourd'hui a accès, oui, parce que moi, de mon point de vue, j'allais dire qu'il a accès. Parce que l'hôpital national a mis un dispositif qui permettra effectivement aux vulnérables d'avoir accès. Mais la seule chose que j'ai dit que c'est un service public, et il l'a si bien dit, parce que lorsqu'on dit public, tout le monde vient là. Parce que d'abord, un, du point de vue rémunération, ou du moins du point de vue tarif, c'est le tarif le plus bas. D'abord ça veut dire que c'est un tarif qui est adapté à la population, ça veut dire que tout le monde vient. De sorte que nous avons un grand nombre qui attendent. Et de temps, effectivement, c'est, deux fois, c'est ça qui fait que la plupart de nos patients, effectivement, des fois disent que ce n'est pas bon, ce pas mm. Parce que même les enquêtes que nous faisons, effectivement, la plupart du temps, qu'est-ce qui revient Ah, j'ai trop attendu. J'étais là depuis avant-hier. J'étais là depuis, ça fait une semaine. Bon, c'est vraiment ça. Mais sinon, d'un autre côté, du point de vue prise en charge, ce que, d'abord, un, l'hôpital aujourd'hui, lorsque vous allez, nous avons fait, ça fait, je crois, quatre ans de cela que nous l'avons mis en place, mm. c'est des kits d'urgence. Ça veut dire que quand vous venez effectivement au niveau des urgences, automatiquement, si, par exemple votre maladie nécessite une intervention chirurgicale, l'hôpital a mis un kit. La seule chose qu'on veut de vous, effectivement, que vous preniez un engagement, que vous ayez l'argent ou que vous n'ayez pas l'argent, parce qu'une urgence arrive. Ça peut vous tomber à un moment où vous n'avez pratiquement rien du tout. Ou bien, peut-être que vous avez quelque chose, mais ça y est à la maison, mais l'urgence vous a pris, on vous a amené à l'hôpital national. Mais dans le seul cas de cas, nous avons mis des médicaments qui sont là. Ces médicaments-là, dès que tu viens, voilà ce qui te permet de, prendre, de te prendre rapidement en charge. Tu signes un engagement, voilà, donc je prends ça. On prend, on vient, on te fait ton intervention rapidement, en tout cas dans un délai record. Maintenant, après les questions administratives, c'est après. Après que nous allons régler ça. Si tu as de l'argent, tu viens, tu rembourses. Dans le cas où tu n'as pas de l'argent, on te confie au service social. Le service social confirme bel et bien que tu es un cas social, mais écoute, un cas social, c'est un cas social effectivement, on te laisse partir. Nous, l'essentiel, qu'est-ce qui nous intéresse La situation. Qui t'a amené Au moins, tu as été soulagé. Donc, ce qui veut dire quoi Ça veut dire que, un, D'abord, nous avons ces kits-là. Et de deux aussi, nos services sociaux sont en train de travailler à plein régime. Mais je vous dis que c'est des millions et des millions. Je prends juste l'exemple de l'année 2016. C'est plus de 26 millions que nous avons dégagés pour prendre en charge ces cas sociaux, par exemple, ces cas qui viennent, qui disent que nous n'avons rien, nous n'avons rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va les laisser On ne va jamais les laisser. Ne serait du point de vue d'ontologie même, on ne peut pas les laisser. Donc on est obligé effectivement de les confier au service social. Ils n'ont rien. Le service social dit que oui, effectivement, ce type-là n'a rien, pratiquement rien. Tout ce qu'on va lui faire, on lui fera ça gratuitement. Ça lui demandait plutôt un rang. Donc voilà, ça veut dire que et c'est le, cas social, c'est lui le plus vulnérable. C'est lui le plus vulnérable. C'est pour vous dire combien de fois, effectivement, l'hôpital a mis des dispositions pour les prendre en charge. Maintenant, ceux qui peuvent payer, effectivement, ils doivent payer. C'est ça la question. Donc maintenant, pour revenir à votre question de savoir est-ce que aujourd'hui l'hôpital dispose un plateau technique. Bon, vous savez, suffisant. Vraiment, nous sommes dans un pays, en tout cas à la limite des pays sous-développés, nous avons un plateau technique. À la limite des pays sous-développés. Je ne dis pas à s'il faut nous comparer aux pays européens ou bien aux pays développés, non. Mais dans la sous-région, vraiment, nous avons. Aujourd'hui, je vous prends juste un exemple. Ça ne fait pas deux mois, non, trois mois de cela. Il y avait une équipe de militaires qui était venue nous voir, des militaires allemands, qui étaient venus pour voir quelle est notre capacité. Mais je vous dis qu'on les a amenés au niveau du laboratoire de biochimie, au niveau du laboratoire biochimie et biologie. Mais ils étaient impressionnés, ils ne s'attendaient pas ce que nous avons. Ils ne s'attendaient pas. Le matériel que nous avons, eux-mêmes, effectivement, ils nous l'ont dit. Même ailleurs, effectivement, ils ne peuvent pas trouver des trucs comme ça. Parce qu'il y a un moment, la plupart, il y a certains examens qu'on fait. Et pour pouvoir les faire, si c'est dans le privé, on fait le prélèvement, en envoie en France. On envoie en France, maintenant de là-bas, on analyse ou bien un pays, en tout cas beaucoup plus développé, on, analyse, on fait l'analyse, ensuite on nous envoie le résultat. Mais actuellement, à l'hôpital national, on les fait. Tu n'as pas besoin. Parce que dans, les privés, c'est des. mais je te dis que c'est des dizaines, de, en tout cas, c'est plus de 60, 75 millions que tu payes. Alors que à l'hôpital, au plus, notre tarif ne dépasse pas 6 000 ou 5 000. Donc, ce qui veut dire qu'on a réduit beaucoup de choses. Donc, en ce qui concerne, il y a des endroits, effectivement, où nous avons beaucoup d'insuffisance. Moi, je le dis. Et nous sommes en train de nous atteler dedans. Les insuffisances, c'est quoi Malgré les efforts que nous avons faits, il reste encore, surtout par rapport à l'imagerie. Aujourd'hui, dans le service public, quand tu vas, le premier service public à avoir un appareil d'imagerie à résonance magnétique, c'est d'abord l'hôpital national de Niamey, que mm. nous avons acheté à grands frais. IREM, je sais qu'il y a un privé qui nous a dévancé, mais l'hôpital, effectivement, l'hôpital national, s'est débrouillé. Parce que, à un moment, nous nous sommes dit, parce que l'idée était, même avant ce privé-là qu'il avait eu, parce que nous avons dit que non, il n'y a pas de raison. Pour juste un examen IRM, il faut envoyer quelqu'un de la sous-région aller nous faire ça. On a dit non, nous avons un hôpital de troisième référence, donc il faut qu'on arrive. Et nous l'avons acheté et on l'a mis. Le scanner, le scanner de dernière génération, nous les avons, c'est au niveau. Mais le seul bémol, il faut le dire, au niveau de l'imagerie médicale, c'est que nous avons des petits bémols, effectivement, en ce qui concerne les tables de radiologie. le, premier niveau de l'imagerie, si je peux l'appeler ainsi. Maintenant, toujours aujourd'hui, quand vous allez dans les autres blocs, en tout cas, on fait des efforts, mais je vous dis que ces efforts-là, effectivement, jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint le niveau. Mais quand même, nous sommes là-dessus. Je ne dis pas que nous sommes au top top, mais ce que, en tout cas, un médecin d'un pays sous-développé a besoin pour pouvoir travailler, moi je vous dis que nous en avons. D'accord. Et nous continuons aussi à développer parce que chaque année, c'est des centaines de millions que nous dégageons pour pouvoir améliorer le plateau technique. Je, je m'excuse un peu plus parce que le plateau technique, c'est vrai, mais il faut aussi travailler avec, parce que tout à l'heure, vous avez posé la question effectivement aux représentants du Saint-Famed. C'est que tu peux avoir le plateau technique sans pour autant avoir des spécialistes, parce que c'est la deuxième partie de votre question, les spécialistes. Pour certaines spécialités, nous en avons, mais pour d'autres, où nous n'en avons pas, où c'est insuffisant. Je prends un exemple. Aujourd'hui, pour tout l'hôpital national de Niamey, et d'ailleurs même pour tout Niamey, si je peux l'appeler ainsi, excusez-moi, je peux me tromper peut-être. Par exemple, quand vous prenez les spécialistes en gastro. Ici, pour l'instant, à Niamey, dans tout Niamey, effectivement, il n'y a qu'un seul. Et c'est à l'hôpital national seulement qu'il est. Mais imaginez le problème de gastro que nous avons dans ce pays-là. Mais c'est tout à fait normal que, pour une seule personne, hein, rien que la ville de Niamey, effectivement, fait plus de 1 million 200 000 habitants. Et pourquoi on n'a qu'un seul Bon. Spécialiste, pourquoi, pourquoi Les gens a ne un se seul... pas sur la question. Oui, bon, vous savez, ça, ça c'est vraiment, c'est dans un véritable système. Ça, je ne veux pas rentrer dans ce système-là. Je ne veux pas rentrer dans ce système, mais il faut se dire, en matière de spécialisation, le Niger a accusé un retard énorme. Heureusement, d'ailleurs même, maintenant, nous avons des jeunes qui sont très farouches, qui aimeraient bien se spécialiser. Mais jusqu'à une date récente, beaucoup de ces spécialités-là, vous ne comptez qu'une seule et deux fois d'armes, il n'y en a même pas. Docteur Mamansani, pourquoi ce retard dans la, spécialisation Bon, ça c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, M. Seni. Et c'est bien vrai, le Niger euh, acquise énormément de retard dans le cadre de la formation de spécialistes, surtout de médecins. Et comme je l'avais dit, certains voient en ça un paradoxe. Ce que je me rappelle récemment, euh, juste le mois passé, j'étais à Ouaga, j'ai discuté avec des médecins burkinabés. Ils disent, mais ben, eh, beaucoup de leurs maîtres leur disent qu'ils ont été formés au Niger pour la médecine générale. Mais quand ils pars maintenant à Ouagadougou, en termes de médecins spécialistes, ils sont loin devant, devant nous. Mm. Donc, le retard, euh, peut-être que c'est, je dirais, c'est structurel. Mais, comme l'a si bien dit Monsieur le DGA, on est en train de vouloir rattraper ce retard parce qu'il y a maintenant, même en termes de formation de base, il y a au moins euh, trois facultés de médecine au Niger qui forment des médecins et on a des jeunes médecins qui ont la volonté d'aller se spécialiser. Actuellement, en tout cas, on a beaucoup qui sont euh, en formation, même s'ils rencontrent beaucoup de difficultés, ça peut-être c'est juste une parenthèse. Mais il y a beaucoup qui sont en formation, peut-être dans quelques années, ce problème sera amoindri. Je dirais pas résolu, parce que c'est depuis lors l'État s'en fiche d'envoyer des médecins en spécialisation. Pourquoi Parce que même le, médecin, tu te dis bon ben quand tu vas partir en spécialisation, euh, tu vas laisser ta famille, tu n'as pas d'autosoutien, tu vois. Après le problème, le punais problème de la motivation de médecins spécialiste va ressurgir parce que tu vas partir étudier. Pour se spécialiser, il faut aller faire 4 ans, 5 ans après ton doctorat. Tu reviens, tu vas gagner la même chose. Et eh bien, bon, voilà, à quoi sert à le C'est toutes ces questions qui sont là. Mais malgré ça, en tout cas, les changements, ils arrivent. Et on constate que peut-être il faut le dire parce que il faut reconnaître que, en tout cas, ces dernières années, même les autorités ont compris cela. En tout cas, moi, euh, je siège à la commission, en tout cas, d'attribution des bourses. En tout cas, le deux à trois dernières années, euh, par an, au moins une centaine de médecins partent. Pour la spécialisation, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup qui sont en formation. Je pense que ces problèmes pouvaient être euh, corriger avec le temps, à condition que ça soit maintenu et que leurs conditions de travail après la spécialisation soient revues. Parce qu'en réalité, ça, c'est un des facteurs démotivants, comme je l'avais si bien dit. On, euh, on revient sur la question de la prise en charge des, urgences au, au, niveau de l'hôpital national de Niamey. Le directeur général adjoint vient de dire qu'il y a des kits depuis 4 ans, mais on a toujours l'impression comme si au niveau des urgences de l'hôpital national, les gens toujours continuent, les patients continuent toujours à se plaindre vous allez trouver un patient qui, va vous dire qu'il est au service d'urgence pendant une heure de temps, deux heures de temps, en train d'attendre sans être euh, pris en charge. Avant, vous venez aux urgences, on vous amène, quel qu'en soit l'état de votre urgence. Si vous, la seule chose que les agents, euh, on va vous consulter, parce qu'il n'y a pas de kit de matériel disponible, on va prescrire une ordonnance. Et comme il l'avait dit, c'est pas tout le temps que quelqu'un a quelque chose pour pouvoir ordonner son ordonnance. Maintenant que le kit des urgences est disponible, ça va. Mais ce que la population ne comprend pas, parce qu'il faut savoir, parce qu'un agent de santé, c'est lui qui est mieux placé pour trier. En réalité, c'est ça. Même parmi les urgences, il y a urgence. Peut-être vous, vous allez venir voir, vous allez voir, bon, la personne n'arrive pas à bouger, mais lui, l'agent, le médecin, c'est lui qui est mieux placé pour savoir ce qui est urgent. imaginez, on peut pas prendre tout le monde en même temps tout celui qui vient aux urgences, la première des choses, on l'examine. À la première minute, on l'examine. Et on l'examine, on les stabilise. Et quand il est stabilisé, on considère qu'il y a d'autres qui sont plus urgents qu'il faut les mhm. opérer mhm. ou il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ce qui, a, qui, fait que la population a du mal à comprendre. En réalité, c'est ce qui peut éventuellement expliquer cet état de fait. On le dit toujours, on explique à la population, mais bon, si je comprends bien euh, l'état d'esprit de la population, quand tu viens, comme je l'avais dit, il a même soulevé la satisfaction, c'est que dès que tu viens, tu trouves satisfaction. Tu peux comprendre, on t'amène, voilà, tu es sur le lit, peut-être on t'ajuste examiné, on te laisse, quelqu'un vient tout de suite, on les prend. Là, peut-être c'est ceux qui pensent que la population a cette euh, appréhension, cette compréhension. Mais il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois aux urgences, on évalue toujours. Parce que toujours, dès que la personne vient, automatiquement, il faut l'examiner. Quand vous l'examinez, si c'est une urgence, il faut la prendre urgence, urgente, comme il faut l'appeler ainsi. Mais si c'est stabilisé, il peut attendre. Il attend, on, plus, on prend les plus. Comme son nom l'indique, c'est les urgences, on prend les urgences. On stabilise, donc ils seront obligés d'attendre pour continuer à prendre les urgences. Maintenant, si ça peut attendre, on le met. Donc c'est ça que la population a du mal à comprendre et les gens pensent que bon, ben, on néglige et on peut attendre l'urgence eh, deux heures, voire deux jours. D'accord. Déjà je voulais ajouter quelque chose par rapport effectivement à ce que. Effectivement, comme il l'a si bien dit, hein, service des urgences, c'est que la première des choses, il faut d'abord c'est quoi Nous devons avoir la même compréhension de l'urgence. Mm. C'est ça le grand problème. Mais lorsque tu définis l'urgence par rapport à toi, c'est tout à fait normal que tu dises que j'ai fait trois jours. Mais le problème qui se passe, les autres qu'on avait pris, parce que l'urgence c'est quoi il faut qu'on le comprenne. C'est tout ce que, si tu n'interviens pas tout de suite, ta vie est en danger. Ça, c'est la vie ou bien ça peut entraîner une infirmité quelque part. C'est ça qu'on appelle urgence, qui nécessite vraiment un traitement rapide. Effectivement, c'est le problème que nous rencontrons au niveau des urgences. Vous allez trouver quelqu'un. Par exemple, je prends, je, parle sous le contrôle effectivement du, du médecin. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui s'est fracturé le bras et un autre qui a un problème d'abdomen. Mais lequel est plus rapide Lequel faut-il prendre le premier C'est vrai que toi, tu vas venir, parce que je, préfère vous expliquer les urgences à l'hôpital national de Niamey. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, nous leur donnons rendez-vous, nous disons, ah, mettez-vous en jeu. c'est juste une fracture, on va vous mettre au bloc. Mais entre-temps, quelqu'un vient avec un problème plus urgent. Mais on est obligé de te décaler. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Deux fois, si c'est vraiment une urgence, même si tu es sur la table d'opération, si vraiment celui-là là, est plus urgent que ton cas, on te fait descendre de la table pour pouvoir le prendre en charge. Parce que là, on sait qu'on peut le sauver. Et que toi, tu peux encore attendre. Parce que ce qu'il faut comprendre au niveau des urgences, n'est pas parce que tu es arrivé le premier que tu dois être pris le premier. Non. Et ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Le médecin, c'est lui qui connaît nous avons notre critère d'appréciation des urgences. Et l'urgence, vraiment, c'est tout ce qui peut. Rapidement, si tu n'interviens pas en 5 minutes, en 10 minutes, la vie de la personne est partie. Et donc, tu es obligé de laisser l'autre pour venir. Et c'est ça qui fait que la dernière fois, j'ai eu un exemple comme ça. Quelqu'un a fait trois jours. Il dit, j'ai fait trois jours ici. Je ne vois que des gens qui défilent. Moi, on m'a laissé. Mais trois jours, lorsqu'on est parti regarder, lui, c'est une fracture. Mais trois jours, c'est des problèmes d'abdomen qui ne pardonnent pas. Qu'on a pris en charge. Qu'on a pris en charge. Dès que, par exemple, on dit, à ah, les médecins viennent, prépare-toi, on leur évacue. Parce que toutes les urgences de Niamey, de, de, de, département, de, la région de Tilaberi tombent, la plupart à 98%, ils tombent à l'hôpital national de Niamey. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en plus, effectivement, des résidents d'ES, ça veut dire des étudiants, nous avons, au niveau de l'hôpital national de Niamey, nous avons mis en place des équipes qui sont là 24 heures sur 24 des médecins spécialistes. Trois équipes pour la traumato, pour la viscérale, ça veut dire que tout ce qui est abdomen et autres, et pour la tête. Parce que la plupart, effectivement, c'est ça, c'est là où nous rencontrons des problèmes. Donc, ces trois spécialités-là sont toujours là présentes, en plus des deux S qui sont. Juste pour, dès que le malade arrive, c'est un cas urgent, on le prend. Et Dieu merci, Peut-être que les gens ne l'ont pas remarqué. Dieu merci, ce que nous avons avant, maintenant, commence effectivement à partir. Parce qu'au niveau de la partie chirurgicale, en tout cas pour les examens, je ne dis pas les interventions programmées. Ça veut dire que les interventions réglées où c'est dans un programme, tu es à la maison, tu viens, tu fais ton bilan, Mais les urgences là, dans, en tout cas, dans un, deux jours, tout est fini. On n'attend pas. D'accord. D'accord qui finance l'hôpital national Quelles sont les capacités financières de l'hôpital Merci. Le premier financement de l'hôpital national de Niamey, c'est d'abord l'État, naturellement, parce que c'est un service public. Ensuite, la deuxième source, c'est ce que nous avons en direct, les recettes directes. Ça veut dire que toi et moi et docteur, nous allons, on nous donne un examen à faire, on part à la perception, on paye. C'est ça. Et la troisième, non négligeable, un peu les partenaires. Voilà principalement les trois sources de financement de l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital a suffisamment de moyens <laughs> Mais est-ce que, est que toi, tu as suffisamment de moyens Non. Dire que l'hôpital a suffisamment de moyens, mais ça, c'est vouloir me mettre au pied du mur. <laughs> non, non, non, non, non. non. Si nous avons suffisamment de moyens, on allait te faire des miracles. Parce que moi, il y a quelque chose dont je suis sûr. Aujourd'hui, le Nigérien, là, nous n'avons pas un problème de personne. Personnel, là, nous n'en avons pas mais nous avons des problèmes de moyens. Parce que ce que je vois à l'hôpital national du Namé, si nous arrivons, effectivement, comme le camarade de saint famel l'a dit, si nous arrivons à les mettre dans les conditions de travail de ce qu'ils font, voilà, je n'ai pas peur de l'étranger. Et j'ai confiance à ces gens-là qui sont dedans. D'accord. Docteur Mamassani, le plus souvent, les patients se plaignent du fait que quand ils vont dans les hôpitaux publics, les médecins, euh, après consultation, ils les réfèrent souvent dans des cliniques. Comment est-ce que vous êtes en train de faire un syndicat pour y remédier à ce problème En tant que syndicat, nous faisons, nous sensibilisons toujours nos militants, mais nous attirons aussi l'attention de celui qui a la charge de respecter les textes, de les faire respecter. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on était même parti un moment à dire, ben, ben, au ministère de la Santé, à ce que nous connaissons, il y a beaucoup des inspecteurs des services qui sont là. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de sanctions, il y a trop de laisser aller. Mais sinon, c'est le respect des textes. Les textes, cette euh, question d'exercice privé de la médecine est bien cadrée. Bon, c'est vrai, dans toute chose, toujours, tu connais, il y a des brebis galeuses qui sont là. Mais si les autorités prennent leurs responsabilités, c'est ce qu'on dit toujours. On sensibilise d'abord nos camarades, nos militants, pour qu'ils respectent effectivement cet engagement qu'ils ont pris. Parce qu'au-delà de l'engagement envers l'État, même envers Dieu, c'est un engagement que les gens ont pris, mais aussi envers la population nigérienne, mais aussi et surtout pour être à l'aise, il faut être euh, vraiment respecter les normes. Monsieur le général, il y a des patients qui vous disent une fois à l'hôpital, le médecin les réfère dans une clinique, à leur grande surprise, ils retrouvent encore le même médecin. Est-ce que cette pratique n'impacte pas sur euh, l'offre de soins de qualité de l'hôpital national Merci Seni. C'est ça qu'on appelle conflit d'intérêt. Comme il l'a bien dit, hein, que le problème, c'est que c'est un problème de texte. Les gens comprennent mal les textes. Dans ce qu'on donne, on te donne une autorisation d'exercice privé et c'est bien écrit en dehors des heures de service de, 18, de 17h30 à 18h. Normalement, effectivement, bon, tu peux aller. Ça, c'est généralement ce qu'on te donne. Et de l'autre côté qui est autorisé, effectivement, en tant qu'enseignant-chercheur aussi, tu es autorisé à ouvrir une clinique et faire. Mais le grand problème qui se passe, et c'est ça effectivement, lorsque on permet aux gens qui sont à la fonction publique d'ouvrir des cliniques, c'est là où c'est très dangereux. Et c'est ça exactement. Tu as ta clinique privée, c'est tout à fait normal. Dès qu'il y a quelque chose ici, retrouve-moi dans ma clinique. Mais lorsque on t'oblige à dire que étant de la fonction publique, tu n'as pas ce droit-là, tu es obligé effectivement de travailler. C'est aussi un manque de conscientisation de la population. C'est un manque de respect même de la population nigérienne. Quelque chose que tu peux faire à moindre frais au niveau de l'hôpital national de Niamey ou bien au niveau dans un hôpital public et que tu réfères quelqu'un quelque part où il va banquer assez. Mais je te dis que ce n'est pas sérieux. Nous faisons tout. Chaque fois, nous rencontrons ces cas, effectivement, chaque fois, nous prenons effectivement des sanctions à l'égard de ces gens-là qui le font. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital national, tu ne peux pas trouver, ou bien d'art même dans la plupart des hôpitaux publics, tu ne peux pas aujourd'hui trouver une intervention qui, qui, va te coûter 100 000 francs. Rarement, il y a une intervention qui te coûte 100 000 francs. Mais on préfère effectivement, parce que tout simplement, quelqu'un ne veut pas faire ça là, parce que quelque part, il a un intérêt. Il préfère te dire il faut aller à tel endroit où tu vas banquer plus de 1 million de francs. Ce n'est pas normal. Et ce qui est marrant, et ce qui est choquant, c'est que le plus souvent, ces gens-là qu'on a orientés se retrouvent encore à l'hôpital national. Parce qu'il y a des moments où ça se complique. Où est-ce qu'il faut aller Ils sont encore obligés, ils sont obligés encore de revenir à l'hôpital national de Namé. Nous arrêterons beaucoup de cas comme ça. Certains ont compris. Moi, j'ai travaillé avec, en tout cas, eh, un responsable d'une assurance de la place, autant pour moi, il m'a dit non, je préfère signer un contrat avec l'hôpital. Parce que qu'est-ce que nous avons compris Ces gens-là que nous référons là-bas, là, en fin des fins encore, ils se retrouvent à l'hôpital national. Parce que de l'autre côté, c'est vrai que c'est un leurre. La, seule chose, je ne fais pas, je n'ai rien contre le, le privé c'est que effectivement là-bas tu as la facilité d'être pris en charge rapidement. Parce que là, effectivement, parce que c'est pas tout le monde qui va. Tu n'as que un, deux malades. Mais ici, nous avons des milliers de malades. C'est ça qui fait que ça prend assez de temps. Et les gens se voient que, ah non, c'est ça la plus grande question. C'est que tout ce que tu peux aller là-bas, mais dans tous les cas, tu vas venir nous retrouver là. J'ai discuté avec un responsable, en tout cas d'une structure privée aussi de santé, mais qui m'a dit non, c'est tout à fait. Ici, là, c'est ici. L'hôpital, là, les structures publiques, là, c'est public. C'est quoi qu'on fasse là On va toujours venir les trouver là. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez résumer les difficultés de l'hôpital aujourd'hui Les difficultés de l'hôpital. L'hôpital n'a pas assez de difficultés. Hein. Mais la principale difficulté de l'hôpital national du Niamey, effectivement, c'est un respect des textes. D'abord, un, si on arrive, la première des choses, tout à l'heure, dans mon introduction, je disais que nous avons beaucoup de problèmes par rapport à l'accomplissement de nos deux missions principales, soins tertiaires, urgence. Si aujourd'hui nous arrivons à régler ce problème de soins tertiaires, ne peut venir à l'hôpital que celui qui a été référé. Vous allez voir que l'hôpital va jouer son rôle. Si aujourd'hui on arrive à régler le problème des urgences, les pathologies qui doivent être traitées au niveau bas sont plus élevées que les pathologies que l'hôpital lui-même doit s'en occuper. Les autoréférencés et les autres référencements. Donc ça, c'est si on arrive à régler ça. Le deuxième truc, problème que nous avons, c'est un problème aussi des textes. Aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, l'hôpital, effectivement, a connu d'énormes problèmes qui sont relatifs aux textes. Les textes, c'est quoi C'est vrai, l'hôpital n'est pas un autre monde à part. Mais la santé a sa spécificité. Parce que moi, je dis bien, je m'excuse aussi de le dire, certains textes ne sont pas adaptés à la santé. Qu'est-ce que je, je veux dire Je prends juste un exemple. Une année, j'ai pris, nous voulons, il y a un matériel qui, pour intervenir sur le crâne, les accidents ou les, les, trucs crâniens. Mais l'appareil est gâté. C'est une partie. Il faut l'acheter, il faut l'acheter dans la maison mère. Mais la maison mère, deux fois, ne te donne jamais un appareil comme ça. Ensuite, tu lui envoies de l'argent. Non, tu lui envoies d'abord de l'argent. Ensuite, on t'envoie. Mais je te dis que j'ai fait sept mois. Sept mois, ça veut dire que ces interventions-là ne se font pas. Pourquoi juste pour une question de procédure. Certaines procédures plutôt de passation de marché ne sont pas adaptées au système de santé. Parce que nous, nous agissons, il y a certaines choses. C'est comme aujourd'hui. Tu ne peux pas prévoir que demain tu seras malade. Absolument. Non, tu ne peux pas le prévoir. Je ne peux pas prévoir que demain un tel appareil va tomber en, panne. Et je ne peux pas dire aujourd'hui dire que ah moi il va me falloir deux. Par exemple, je prends IRM que nous avons. Je, je n'ai pas cette capacité de dire que non, il me faut deux deux machines. Parce que le seul appareil IRM nous a coûté 1 milliard millions que nous avons avec l'aide de l'État et les fonds propres de l'hôpital qu'on a pu acheter. Mais on ne peut pas le faire. Mais si aujourd'hui ce IRM la tombe en panne et qu'on nous dit que rapidement il nous faut une pièce qui coûte par exemple 50 ou 40 millions, on va nous dire non, il faut une passation de marché. Ça veut dire qu'on peut le faire passation de marché. Mais et le grand problème c'est que nous n'avons pas de spécialistes, il n'y a pas une maison sur place. Tout ce que nous achetons, nous le commandons. Il n'y a pas de maison sur place où, par exemple, tu as besoin d'un appareil tout de suite, tu peux aller l'acheter et venir faire redémarrer ton appareil. Ça fait partie, donc moi je dis que les principaux problèmes de l'hôpital, des, des hôpitaux, en tout cas, ou de la santé, le plus souvent, c'est ça. Et je crois que même les autorités ont commencé à comprendre ils, ont commencé à comprendre parce que quand vous prenez le code de marché public, ils ont commencé à mettre quelque chose qui est relatif à la santé, surtout en matière d'urgence, en matière d'épidémie, où on peut aller rapidement prendre et venir continuer le travail. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'on aille un peu au-delà. Moi, c'est ça, c'est voilà les difficultés que nous rencontrons et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, nous avons connu des débats. L'hôpital a son argent. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de procédure. Parce qu'il y a des temps où il y a des choses aujourd'hui qui ne nécessitent pas de qu'on lui accorde assez de temps. D'accord. Merci, monsieur le directeur général. Un dernier mot, docteur, pour clôturer ce, forum. Le plus important, c'est l'accès aux soins de qualité des citoyens. Comment y arriver à l'hôpital national de Niamey euh, Voilà, pour arriver en tout cas à offrir hein, les soins et services de santé de qualité, euh, je pense que c'est comme ce qu'a dit monsieur le DG c'est le respect de, des normes. L'hôpital, c'est un hôpital de niveau 3, il faut qu'il soit tel. C'est-à-dire que des autoréférences, tu te lèves un beau matin, voilà, tu as des maux de tête, tu une fait de la fièvre, au lieu d'aller dans les centres de ton quartier, les centres de santé intégrés qui est fait pour ça, tu te lèves directement et ça crée d'engorgement au niveau de l'hôpital national. Voyez-vous ça, comme il a si bien dit, ça peut évidemment, le temps qu'on va t'accorder, on peut l'accorder à d'autres qui ont plus besoin de ce temps. Ça, si au moins la population arrive à respecter ça, je pense qu'on peut arriver ainsi. Un second niveau, c'est d'améliorer la, la, plateau technique, c'est vrai. le DG a dit qu'ils ont fait beaucoup, c'est vrai, ils ont beaucoup fait, mais continuer à améliorer ces plateaux techniques à tous les niveaux, mais aussi motiver, créer l'action. si ce n'est pas seulement à l'hôpital national, c'est à plus haut niveau, euh, je pense que je parle euh, sur toutes les structures de santé du pays, que les autorités doivent voir les conditions d'amélioration en tout cas des conditions de travail de médecins. Là, en tout cas, ça va être euh, une très bonne chose et que la population en bénéficiera et l'accès sera ce qu'il faut en tout cas dans nos formations. D'accord. Merci docteur. En résumé, donc on peut dire que pour arriver à un accès aux soins de qualité à l'hôpital national et même dans les hôpitaux, euh, il faut l'amélioration donc du plateau technique en ce qui concerne l'hôpital national, les conditions, l'amélioration aussi des conditions du travail des médecins. Et surtout, ce qui est plus essentiel, c'est le respect des textes de l'hôpital national de Niamey. Dans ce forum, nous avons eu comme invité Bawon Allah Goubakoy. Il est le directeur général adjoint de l'hôpital national de Niamey et docteur Mamassani, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens, médecins et dentistes Symphamed. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou à demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.